des ordures. Bon, nous, on a à peine, ça fait à peine deux semaines qu'on a pris fonction. Oui. Je pense que c'est trop tôt pour nous juger. On veut que Oui, pas. Non, j'ai l'impression qu'on nous juge. Non, pas vous, pas vous, madame. On vous juge pas. Alors, euh, monsieur euh, Boubacar, alors, euh, quel appel lancez-vous aux populations pour qu'elles amènent leur part dans ce qui est la salubrité Merci, monsieur Algalas. L'appel, tout à l'heure, on l'a dit, est c'est le civisme. Le respect des instructions données par les, euh, les autorités communales, euh, par extension, et par les autorités immédiates qui sont euh, les responsables de quartiers ou des villages. Les leaders d'opinion. Hein, les, leaders d'opinion. Mhm. Et maintenant, deuxième, deuxième appel, on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Nous sommes dans un cadre où il faut assainir nos villes et alentours. Dans ce cas, il va falloir que le politique procède à des sanctions. Et ces sanctions doivent être divulguées, radio-télévisées, pour que tout le monde sache que si je fais ceci, je suis passible de telles sanctions. Si je fais cela, ça peut m'amener là où je ne veux pas y aller. Alors Moussa Estaf, en une phrase, quel appel vous lancez aux populations même. ou même aux autres C'est vraiment le même. Parce que les acteurs. Il faut d'abord sensibiliser et après il faut apprendre à sanctionner. Parce que sans sanction, on ne peut pas vraiment garder le cap de la discipline. Donc c'est cette discipline-là qu'il faut mettre a priori pour que les gens puissent maintenant essayer de suivre la forme de la ligne qu'on voulait d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de salubrité. Mais il y a des gens qui pour eux, ça passe à côté, c'est comme si c'est un rien. Hein. Alors que c'est une affaire de tous, comme on l'a dit. Et pour cela, vraiment, moi, la priorité dans tout cela, c'est vraiment la sensibilisation. Approcher les, populations comme vous, ils l'ont fait auparavant euh, dans leur projet euh, mensuel de prendre un quartier et faire vraiment euh, tout un tapage de sensibilisation et euh, de balayage dans les quartiers, ça va rapprocher les autres euh, riverains des autres et ça va permettre maintenant le brassage entre les, les, frères nigériens et à travers tout cela, on va avoir une sensibilisation qui va nous permettre... Vous avez phrases. Alors, euh, M. Diallo, qu'est-ce que vous pensez de ce que doit faire la population Bon, d'abord, j'ai juste d'être en porte-à-faux avec ceux qui pensent que c'est d'abord la mairie. Ouais. Moi, je pense d'abord, d'abord, c'est la responsabilité individuelle. Ton cadre de vie, c'est à toi d'améliorer ton cadre de vie. Oui. La mairie est là pour coordonner tout cela en faisant des aménagements pour cueillir euh, les centres de, de dépôt de, enlever les, les, dépôts, valoriser ces dépôts, euh, ces, ces, déchets, parce que ce que nous considérons comme déchets ne l'est pas forcément. C'est des choses qu'on peut utiliser. utiliser, transformer. C'est des choses qui peuvent utiliser. C'est pourquoi tout de le débat euh, qui s'est passé tout de suite là, j'avais voulu intervenir pour les interpeller sur le fait de la non-utilisation de ces déchets à des fins énergétiques. Parce que dans certains pays, c'est comme ça que ça se passe. Alors, évitons de lancer. La deuxième, tous, chacun a son, euh, rôle, à jouer. La, la mairie, les aménagements, qu'il faut pour accueillir le traitement de ces déchets. La population, chacun veille sur ces déchets qu'il a produits euh, lui-même. Et enfin, il faudrait que les gens l'oublient. Parce que quand on parle d'hygiène assainissement, les gens voient tout de suite l'enlèvement des ordures. On a d'autres... concepts. C'est tout un concept. Hein. Aujourd'hui, on est à la veille de la saison de pluie. Tout ce que nous avons comme caniveau là, ils ne sont pas tous fonctionnels. Les inondations qui vont avec, avec les pertes en vie humaine, il ne faut pas du tout les oublier. C'est dès à présent qu'il faut traiter tous ces problèmes-là en curant ces caniveaux, en remettant les caniveaux qui ne sont pas en état à détat, hein, et voir dans les quartiers sensibles où on a connu ce genre de problème, des solutions alternatives. On n'a pas de caniveau, on peut faire des tranchées les solutions sont immacées à l'appréciation. Parce que si on remet tout sur la mairie, ben, je ne pense pas qu'on puisse résoudre nos problèmes. Mais le problème fondamental, c'est la sensibilisation. Faire en sorte que tous contribuent à la gestion de leurs déchets. Si aujourd'hui j'ai des déchets chez moi que je n'ai pas pu transporter, c'est mon droit le plus absolu aller voir la mairie, poser mon problème, rechercher avec la mairie les solutions. Je ne défends pas la mairie, mais je sais, pour avoir resté, la mairie a des moyens très limités. Ouais. Très limités. Tout de suite, quelqu'un vient dire indépendance. Ces moyens-là, autant les mettre ensemble pour pouvoir travailler que de les disperser. Et créer l'indépendance. Parce que si vous prenez aujourd'hui une brigade, vous l'envoyez, vous, faites plusieurs brigades, la mairie, à ma connaissance, n'a pas plus de deux chargeuses. Oui. Alors, euh, Maria quel est vous, votre appel euh, Qu'est-ce que vous devez faire par rapport euh, justement à ce qui vient de dire Diallo Bon, ce que je peux dire à la population, c'est que la salubrité, c'est notre cheval de bataille. Et seul, on ne peut pas réussir. On a besoin des autres. On a besoin de la population, on a besoin des autres acteurs. Et je profite pour dire au nom de l'administrateur de délégué de la ville, le 26 mai, le dimanche 26 mai, sera la journée dédiée à la salubrité au niveau de toutes les communes de Niamey. Je vous remercie, monsieur. Voilà, merci, euh, madame, monsieur, pour... Une euh, contribution. Euh, oui. Juste une petite contribution. J'ai un petit document que je vais laisser à l'intention de ceux. C'est au niveau de, la population, ces déchets-là, il faut, il faut ce que tu n'as pas besoin. Si tu vois, par exemple, au marché, tu as des, sacs plastiques, tu n'as pas besoin, tu n'as pas et réutiliser au besoin ce que les gens appellent les trois R. J'ai fait exprès de l'amener à chacun de l'apprécier. Je pense que ce que ça peut contribuer au niveau de choses. C'est refuser tout ce que tu ne veux pas, réutiliser, réduire, recycler, rendre à la terre. Par exemple, vous avez produit du compost. Le ah Ce ah. compost-là, il ne faut pas le laisser traîner parce que vous allez générer encore des ordures. Il faut l'amener au champ pour la productivité. Voilà. voilà. Donc, euh, merci pour votre contribution. Merci. Euh, Moussa, merci Oubakar, merci euh, Sita, ah, ah, merci mon colonel, euh, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir euh, reçus chez vous. Bonsoir et à très bientôt sur Télésat.